Merci de votre fidélité bienvenue. C'était les titres de ce 13 Nous parlons d'abord de la vie qui est toujours chère au Sénégal. Des citoyens désemparés se demandent à quand la fin du calvaire. Et le programme Yonu Yokute promis par le régime en place ne se fait toujours pas sentir. Amadou Alimbaï en a fait un sujet de reportage. Nous y reviendrons peut-être avant la fin de cette édition. Et nous parlons de la 24e édition du Gamo annuel de Shérif Nema de Djamagun, Setaches. Le président national de la jamato Khadria juge trop sévère la mesure prise par l'État du Sénégal de fermer certains daras, euh, si l'on sait que la plupart des maîtres coraniques n'ont aucune source de revenus. Pape John invite par ailleurs les autorités au dialogue et à la concertation autour de la question. Il l'a dit à Ramatou C'est très douloureux, voire même dramatique, de voir Neuf enfants carcérés. Il n'y a rien de plus horrible. Et le président Macky Sall a agi par humanisme. Il a agi parce que lui-même, il sait que c'est un père de famille, un maître d'école coranique, installé quelque part à Dakar avec 40, 50, 70 enfants autour de lui, à qui il apprend le Coran. Et sans moyen de les entretenir. Alors, si ce n'est la mendicité, c'est-à-dire se mettre au point de rue, étendre la main et avoir des pièces ou bien par exemple quelques quantités de riz ou bien de mille et amener ça euh, chez le, maître maître d'école coranique pour maintenant avoir de quoi subsister. Si on interdit cela, ça va être extrêmement dur pour le maître de coranique. Je suis à peu près sûr d'une chose, il va inviter les maîtres corps coranique à un dialogue. Si on se réfère par exemple au dark de Koki, il n'y a pas de mendicité dans la... Les enfants sont entretenus, et toutes les bonnes volontés. Et beaucoup de mécènes s'emploient à aider cette école coranique. Si par exemple des écoles de ce genre étaient créées dans le pays, eh bien, ce que nous avons constaté ici à Médine, très probablement ce ne serait pas produit. Moi, je considère qu'il faut absolument que les gens prennent exemple sur le Dara de coquille et des exemples des écoles de ce genre avec la participation de l'État, avec la participation de certains mécènes. Je crois que la mendicité aurait disparu et l'enseignement du Coran va proliférer également dans le pays. Pape John, le président de la Diamantou, Khadri Alouga, les maîtres coraniques étaient dans la rue. Une marche pour euh, dénoncer la mesure euh, contre la mendicité au Sénégal. Ils soutiennent qu'il ne voit pas la place de l'islam dans le programme euh, Yonuyo que le régime en place à Xinjiang. La décision du gouvernement de fermer certains dara non conformes à certaines règles a fait sortir les maîtres coraniques de Louga de leur gang. Tous les maîtres coraniques de Louga, Linguère et Kébémer sont là réunis avec la dernière énergie la mesure du gouvernement de fermer certains dara. Ce sont des mesures prises sans concertation avec les dara bu fekkee yoon lañ bëgg nañ ñoo togo ñun ñu waxtaane ko xol luy défar ndax ñu mo ngi tax a su fekkee na dañoo bëgg ñoo nak jaay doole nak ñoo xam ne ñëpp ay Sénégalais lepp lu mu laaj ci saa yara baata ñu wis leen ci dans la vie de ces maîtres coraniques même la décision d'expulser certains talibés originaires de la sous-région est une mesure contraire aux règles et traités signés par le Sénégal ci jublu mooy néewu leen di wax ci ce sont des pays membres de la CDAO. La libre circulation des personnes et des biens interdits, on les expulse. Ne sachant plus que saint vouer, ces maîtres coraniques estime que l'État ferait mieux de subventionner les Dara au lieu de prendre des mesures répressives ils prennent des lois répressives sans prendre des lois préventives. Il faudrait mieux d'expulser ceux qui sont dans les bars et les lieux de débauche, mais pas les talibés. Le nous, nous, n'apporte finalement rien à l'islam. nous nous nous nous nous nous nous comme nous nun ak yoonu yokkuteem bii mu indi yoon wi moom yokkunu ñun waa alxuraan wala gisaguñu wala boog ñun ñaaw nan njort wala tàmbali nañoo tiit yoon woowu ñun daf ñuy niru yoonu saytaane nan waxante dëgg. Louga. Achille Radio-Télévision Walfadri. Achille Niang, depuis l'annonce de cette mesure contre la mendicité, les talibés sont toujours visibles dans les rues de Dakar. Certains Sénégalais sont pour d'ailleurs cette quête de la pitance dans les daras, d'autres approuvent tout simplement cette euh, mesure, le pour et le contre dans le reportage de Fatou Dufay. Ils se grattent sous la rayon solaire, ils souffrent en silence. Dans les artères de la capitale sénégalaise, les talibés continuent à mendier malgré la décision de l'État du Sénégal d'interdire la pratique. Ils sont obligés de ne pas s'afficher pour éviter d'être pris par les autorités. Il nous a demandé de ne pas manier dans la rue sous risque d'être arrêté. Si certains soutiennent qu'on ne leur exige aucune somme, d'autres en revanche doivent verser forcément 500 francs. On ne nous exige rien. On nous donne 500 francs par jour. Ah,

Ces anciens talibés interdire la mendicité est anormal. Selon eux, l'État du Sénégal devait dialoguer avec les religieux avant de prendre une telle mesure. Ah, madame Massonda ba À mon avis, le gouvernement dialogue avec les acteurs concernés parce que nous sommes tous des citoyens l'affaire nous concerne. L'affaire de la Médina a relancé véritablement la question du statut du talib dans la société sénégalaise. Une image négativement appréhendée par certains, mais bien appréciée par d'autres vu sa dimension religieuse, avec notamment la formation et l'apprentissage du Coran. Il prendre des mesures, mais c'est la manière qui me déplaît. Il faut savoir dialoguer. Le prophète l'appliquer avec son entourage avant de prendre n'importe quelle décision. Mes enfants, inshallah, continueront d'apprendre dans les daras. En ce qui me concerne, rien ne pourra m'arrêter de le faire. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبل بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون Le reportage de Fatou Djoufaïa Et puis je vous l'annonce également en titre, les chefs religieux de C2CB, c'est dans la région de Matam qui invite le gouvernement à un traitement équitable des différents euh, foyers religieux au Sénégal. Ils ont profité de la ziara annuelle de la localité pour exiger entre autres la réhabilitation des routes de la zone et un programme spécial pour relancer l'agriculture. Amadou Satan. Situé à un peu plus de 30 km de la commune de Matam, CDOCB a accueilli sa ziara annuelle une cérémonie religieuse dédiée à Feu Baye Diatara, grand érudit, un mohaddam à Mam Abdoulaye Nias, père de Baye Nias de Mizine Baye à Kaolak. Une occasion pour les chefs religieux qui ont initié cette ziara de lancer un appel au gouvernement de Macky Sall de penser à réhabiliter totalement les routes pour permettre un accès facile aux populations des localités comme Sedo Sebe, Sedo Abbas, Tcharen, Sariliou, et autres villages situés dans les contrées les plus lointaines de la région de Matam, mais aussi et surtout y mettre des infrastructures de taille pour booster le développement de ces contrées du Fouta qui vivent essentiellement de l'agriculture et de l'élevage. Le conférencier, pour sa part, a exhorté les fidèles musulmans à se soumettre davantage à Dieu le Tout-Puissant et il a surtout insisté sur le but de Tidjane qui ne se pas n'importe comment. Et la prière doit toujours précéder le wird selon Elash Mustafa G.